Hello, Pujabi. Hello, Pujabi. my God. dama am benn nijaay xamante ne mu ngi nii. Ah. la. monsieur Lamine Badji. Lamine Badji ma nga ne gis nga ko Pape Fégo. waaw Pape sama li ngeen di gis ci tiir lii moo ko waral. moo tax ñëpp di yéeg. lii la ñuy jël pour yéeg ci gaarab tiir. lii la ñuy jël pour aji ay raisin de tiir. donc lii nii di ah. an xëma ka te be jow te bu cosaan eni banni ngu fuyindum c'est la même c'est des instruments saɗumredi si tegi ɓome donc so jaam oh. angala men ta he eh. mais waɗek men ubajena fa aussi gawa sen si jawalal eni fofunak bebilen gurok barage bacen rok wo jaat isuki ay lengu tuha sok yobe ngan topar si jawli gu pulo gawa sen eli non jorek menu saware eh, sa machallah elam ni la be mama yettimega wasen eli sijawoli vraiment e bonor gubonnoru wiloɗo ɗo eli seeɗa ko sall e soki ha ñe vraiment ko suumay machallah donc aussi euh, et nous pour ato Oudjaolaga Dialma nous allons en tout cas attaquer euh, l'exposé avec euh, monsieur Amadou Sadio Amadou merci avec ta délégation donc tous les invités d'honneur aussi vraiment je souhaiterais à eux leur dire merci d'être là euh, cette journée, c'est la journée La casement en fête. Tout à l'heure, vous avez vu la grande présentatrice que je reconnaissais sur le tatami, Yacine Diba, championne d'Afrique junior de judo. mais qu'est-ce ko petite tenue pour rafet du sol Nous présenter euh, Dalo du ma wax ci mais ce qui est intéressant aujourd'hui moi dañuy un ci moment fort de la cérémonie ce c'est un petit exposé de 15 minutes sur la culture casamanceuse, particulièrement, mais la culture de manière générale, qui est un levier de développement et de cohésion sociale. Culture ne je prends à témoin Ibagay Massar qui est là, un grand artiste. Merci. Abou Sambo, mon frère. Je voudrais d'abord saluer l'auditoire, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus répondre à l'invitation de notre nièce Dalo Boudani. Madame la Présidente de yermande.com, Messieurs les parrains, Monsieur le maire, je voudrais dire en particulier Monsieur Amadou Diop et la marraine. Chers invités, en vos titres, rang et qualité, à l'entame de mon propos, qui porte sur la culture, levier de développement économique et social. Je voudrais parler de la culture de manière générale, qui nous réunit, qui constitue cette un constat le troisième pilier du développement de l'homme, après la science, la technologie et la culture qui vont ensemble pour créer le développement. Je voudrais donc féliciter Damo et tous ceux qui l'ont accompagné dans cette œuvre pour, d'une part, le choix de la thématique, d'autre part, le choix du parrain. Amadou, bienvenue et merci. Merci aussi à Bello pour cette occasion de socialisation. J'ai retrouvé des gens que j'ai connus depuis 1975. Amadou Joué de moi j'étais un supporter de la GIA. J'ai retrouvé aussi une ancienne handballeuse. J'ai dirigé la fédération d'handball pendant 8 ans. Et c'est un plaisir que je la retrouve. Elle s'est bien conservée. Je voudrais parler de Ngonandoui. C'est la sœur du maire de Dakar. C'est la sœur de M. Ndoui, qui est maire de Dakar Plateau. Je voudrais donc féliciter Dano pour le choix du thème qui est pertinent, parce que c'est un thème d'actualité. Il est un thème d'actualité et il est aussi pertinent au regard de la vocation de Yermande.com. L'art n'est pas gratuit. On ne fait jamais l'art pour l'art. De nos félicitations pour avoir choisi l'art musical pour sensibiliser sur un thème qui concerne toute l'humanité, la culture, levier de développement économique et social. C'est un sujet qui fait l'objet de fréquentes réflexions au niveau international. Même les récents développements, la COP28, les objectifs du développement durable se préoccupent de culture, et c'est mon président que j'aime bien citer, l'ancien président Léopold Sédar Senghor qui disait La culture est au début et à la fin du développement. Et la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Heureusement que Dallo a fait pour qu'on n'oublie rien. Un homme sans culture n'a plus de repère dans l'humanité. Aimons donc notre culture et dallons en ce qu'elle contribue à la promotion de la culture, cette fois-ci, la culture casamanceuse, la culture du terroir, parce qu'il y a culture urbaine et culture rurale. Dallons, je vous adresse toutes mes félicitations et vous souhaite bon vent. J'aurais pu m'arrêter à ces félicitations et à ce constat. Mais il faut que nous nous donnions une raison de croire en la culture. La culture, c'est l'homme. Parce que le même président qui a dit que la culture est au début du développement a dit aussi que l'homme est au début et à la fin du développement. Il n'y a pas de développement qui ne soit un développement pour l'homme mais un développement uniquement basé sur la science et la technologie n'est pas un bon développement. Parce qu'encore une fois, le monde évolue très vite et nous sommes à une période où, comme on dit, l'homo deus, après avoir été homo erectus, le mot c'est que l'homme, s'il n'est pas canalisé par sa culture, risque d'être une machine sévère, avec surtout le développement de l'intelligence artificielle. il y a... On arrivera à un moment où on va cloner l'homme. Comme on clone du maïs génétique. C'est par la culture que nous allons atténuer tous ces effets du développement de la technologie et du développement de la science. C'est quelqu'un qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La culture, si on peut la définir, on va utiliser la définition de l'UNESCO la culture nourrit les capacités et les valeurs humaines et donc constitue un ressort fondamental du développement durable des communautés, du développement durable des peuples, ici du développement durable de nos sociétés. Merci Dalo d'avoir utilisé l'art pour sensibiliser sur la nécessité de préserver nos cultures. Le monde de demain ne doit pas reposer uniquement sur les sciences et la technologie. Le monde de demain reposera également sur la culture. Et c'est pour cette raison que je vous demande, à la suite des combats épiques que les pays en développement ont menés dans les années 80-85, à l'époque où on parlait du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, parce que la culture est véhiculée par justement ces médias, que nous soyons acquis à l'idée et de manière définitive que nos cultures ne sont pas des cultures pauvres. Nous devons aller au rendez-vous du donner et du recevoir, armés de notre culture, de notre propre valeur. Nous ne devons pas avoir honte dans notre culture. Alors, c'est quelques observations que je voudrais porter en disant que le temps m'est compté. Nos parents sont certainement pressés de déguster leur boutangen boussak ou leur Gatchombong ou leur Enyul Je voudrais donc arrêter ici mon propos et recommander que jamais nous ne devons perdre de vue que notre culture, c'est ça qui fait de nous. L'homme, c'est sa culture. Nos sociétés ont des cultures qui se valent. Il n'y a pas de culture supérieure à l'autre. Tenons donc à nos cultures pour aller bien armé à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous remercie. Dalo, bon vent avec Yermandé. Je vous souhaite une très grande inspiration pour continuer à sensibiliser pour la préservation de notre culture. Je vous remercie. développement culture Réw ndax day indi monsieur le maire merci beaucoup et euh, que tu vives 111 ans avec que nous vivions 111 ans <laughs> waaw l'argent viendra après merci beaucoup est-ce que Badiou Touango manquer à sa qualité de maire na war et le fogenelu et le nerogol merci nous félicitons aussi sa femme madame Diata depuis nalumirore ɓuƴat tino sim tan aragol hama omo toga feefol eni o jega kiño e supowol elo nanga fo tikowol min ti tihol e supo donc ele ñooja taxe encore eh, cilolin cul wonumi me fogen kan wa faramare eh, gen sans plus tarder monsieur le maire Suleiman Jata ele bugo nerega baraka monsieur Samsidi aussi ele bugo neragol al baraka Moussa merci en tout cas suumali suum ji jalome ji jool mu nana paa nagola fara jaat e mite kan u faago fo u faaga fooga ñu ngi leen di nuyu encore une fois di dalal ñi nga xamante ne nii ñooy suñuy parrain macha allah bëri nañ te aussi képp koo xamante ne fëggoon nañ buntam rek ñëwoon na nañu incha allah dinaa bokk te dinaa jàpp ci bés bi ñaar yi ñoo jafe nit mën na bokk te du jàpp nit mën na jàpp te du bokk parce que jot aussi dafa nekk tey lu xaw a doy waar pour nga amandoo ñaar yi mais ñëpp ñi nga xamante ne ni tànn nañ leen ci bi ñu bokk ci bés bi nañ vraiment la la ci ñun tamit borom bi jaral ndax bu na wax man fi ma nekk maa ngi tedd alhamdulilah maa ngi sant yàlla depuis États-Unis l'État, de poser une question et cette question pour moi c'est une question fondamentale Qu'est-ce def pour amal njëriñ sama dëkk buu ni ware meekaan mbi baj nafa nde sugom solo xan cette question Si ni ware meekaan mbi baj nafa wunde si toutefois cette question est posée pour la réponse elle ne devrait pas être difficile parce que nous savons nous sommes tous des réservoirs de talents. Chacun parmi nous, c'est ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il peut apporter en tout cas pour sa communauté. Effectivement. Donc, dès lors où nous avons cette question, la suite, c'est comment répondre à cette question. Et dès lors l'a fait de si belle manière. À part, de part aux États-Unis, il a créé la fondation yermande.com qui aujourd'hui, en tout cas, sillonne un peu partout en Casamance, dans la commune de Tchokessil, à Tendou, à Kafountine, à Tchobong, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, nous comptons sur toute la population, la communauté casamassaise pour que cette fondation puisse être une fondation qui va prospérer pour toujours. Merci. Eh, Alors, comme vous le savez tous, nous avons ici notre parrain, M. Amadou Diop. Il serait bien, puisqu'il a été parmi les premiers ici avec une très forte délégation. bon man li may pourquoi New York Boy Bandi doit faire bandi bandit. micro micro mais bandi bi. micro. yeah lu tax Boy Bandi du bandi ñuy wax Boy Bandi le ci football ndax boobu dafa nekk ay football magam. mais di leen comme ni ko sëñ Abou Sangu di waxee nii mais di leen def yu garaaw di leen rato di leen wat di leen yaali di leen duut léegi nag mag ñooñu daal ni mais booy bi mais booy bandi la ah, fa la booy bandi jóge donc moom bandi wu football la voilà loolu moom mooy histoire bi jooba juba yàlla na nga yàgg nekk booy bandi voilà loolu laa leen bëggoon indil nii Telo loolu ci biir culture bi la parce que histoire mooy itam culture mooy civilisation sànq ba léegi ñoom Sadio ak ñoom Seigne Abou Samb nee nañu que am na ay mag yu ni que la culture est au début et à la fin man ma yokk ci la culture est au début au milieu et à la fin parce que sans la culture l'homme dafay niroog benn garab goo xam ne amul ay reen sans sa culture l'homme est comme un arbre qui n'a pas de racines. Donc Casamance en fait Dalo, Dalo, dalal ak Diag di yàgg Bapare ak jàmm ba pare di nu woon li nga xamee ni moom wi la li dépassé 111 ans sans ordonnance te ñi nga ni Casamance en fait bi dinañ ko ànd ba def plus d'une cinquantaine d'éditions ñëpp ka merci beaucoup les gars merci beaucoup Dalo, Dalo Dalo. How are you? Fine, thank you. Euh, mënuma la fay mënuma la fay eh, dama lay bàyyeex ki nga xam ni moom moo moo ki nga xam ni moo tax bi am ki nga xam ni tey may nañu wér-gu-yaram ba ñëw ba di faire passer sunu message

donc dafa am ñoo xam ne dama ànd ndox ñoom def ko te ñooñu tey yàlla won na leen jël na leen ñu won ñu ginnaaw muy doomu Casamance muy esamaay Jules Bocandé munuma bañ a def ndeysaan émotion la bon mënuma bañ a def discours bi parce que il faut que me rendre hommage mom ak momadou Taw ak Joseph Koto donc euh, loolu motax mané discours bi il faut que me def ko discours bi il faut que ma def ko parce que y'a mon club adoptif est la girafe bi ma tetee ba war ma meuna a pour ma dem équipe nationale donc en pensant mënuma bañ tamit delloo njukkal équipe nationale parce que mo waral tey nous titré titrés di capitaine de l'équipe nationale. donc dans ce discours là loolu ce dama ko ci tënk def ko ci il faut que ce discours là me faire passer et sur ce aussi moom la dugal le culture et le sport parce que nous and donc message bi mënu ma ko une fois de plus je ngi remercier Dalo mais me permettre euh, mi ma jox occasion bi pour ma dire euh, nit ñi mais remercier toute la Casamance parce que nous avons ko le foofu muy benn mais c'est la première édition nous indico Dakar... Ndakaaru bi aussi mënoon nañ ko tuddee benn Casamas, Casamance mais nous avons dañ ma delloo njukkal tuddee ko benn Médina donc il y a toute la Médina toute la région de Dakar ...qui est ne ñoom honoré donc euh, euh, nous benn faire passer ce message là ce remerciement ce remerciement là parce que loolu yëpp daloo yow yaa ko waral euh, bés bi nag euh, du bés bu ndaw parce que bés day nuru borom te yow ku la xam xam ni du xam ni doo ku ndaw la preuve ñi fi jot a dugg nii yëpp tey dañu am benn match capital la Jaraaf boo xam ne wax dëgg yàlla abu Samb xam na li ma koy wax la Jaraaf joue contre euh, génération foot ñëpp ñu nga fa mais man dama amaat benn tiis bu ma dal un ami d'enfance un ancien footballeur on a grandi ensemble ñoo défendu lépp Momo moo wàññeeku d'ailleurs ñi ñortoon daw parce que dañu waroon nous mais ñoom ñëpp ñu ngi noonu euh. donc Mané, ne euh, yàlla na nous yàlla fait. nous na ko yàlla xare àjjana euh, yàlla na ko di teeru sallallahu donc, euh, sans plus tarder, honorables invités, chers amis, c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'ancien capitaine des Lions du Sénégal de la génération 86. Je souhaite exprimer ma reconnaissance. Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers ma famille sportive qui a été le pilier de ma carrière. Un hommage spécial aux girafes de Dakar, à l'équipe nationale de football du Sénégal et à des figures inoubliables comme Jules François Bocandé, Joseph Koto, Momodou Taou, que nous chérissons à titre posthume. Leur héritage demeure une source d'inspiration et de motivation pour nous tous. Je saisis cette occasion pour, remettre, pour mettre en lumière le fond le fond Essamay, titre signifiant Lyon dans la langue de nos ancêtres, une institution qui incarne les valeurs de détermination, de solidarité et d'excellence. Cette référence symbolique représente le courage et la force que nous puisons dans notre culture. Le sport et la culture mais dans la main, ont toujours bien, été bien plus qu'un simple jeu ou une expression artistique pour nous. Ils sont les ciments qui nous unissent. Ils sont les ciments qui unissent des individus de divers horizons. À travers nos victoires et nos défis, nous avons partagé des moments qui ont au-delà des frontières, transcendant les différentes les différences pour créer, un sentiment d'unité puissant. Aujourd'hui, en soulignant l'importance du sport et de la culture dans la cohésion sociale, nous reconnaissons leur rôle central dans la construction de ponts entre les communautés, favorisant la compréhension mutuelle et renforçant les liens qui nous unissent en tant que nation. En terminant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers ma famille, mes enfants en particulier, ma femme, pour leur soutien indéfectible tout au long de cette extraordinaire aventure. Ensemble, continuons à promouvoir les valeurs du sport et de la culture qui, transcendant les stats et les expressions artistiques, contribuant ainsi à une société plus unie. Merci à tous et que l'esprit sportif et culturel guide chacun de nos pas vers un avenir de cohésion et de prospérité. Boy Bandi, mais c'est et Et ça renvoie encore une fois, quand vous me parlez de Médina, je pense que le tigre, c'est le symbole de l'écrit de face. Quand on parle du tigre de face, c'est le sommet de la tigresse, c'est le sommet en tout cas du, du haut niveau. Et si je ne me trompe pas, vous pouvez aussi me rectifier si je me trompe. Tigre, Angiola, je pense que c'est ce qu'on appelle Essamay. Le lion, je pense que c'est Ediato. Donc nous avons en tout cas des symboles en commun que nous partageons et que nous allons continuer à valoriser tout au long de cette journée parce qu'aujourd'hui on dit la journée de la Casamance, la journée que nous avons choisie pour en tout cas revaloriser la culture casamassaise, mais aussi les instruments que nous avons tous eu l'habitude d'utiliser dans notre vie quotidienne. sànq am na plat bu ñu c'est un peu mboroxe am na pli plat bu ñu euh, c'est un peu comme soupe pépé soupe ci ci olof Amna aussi plat bu ñu euh fiita wala euh, c'est un peu comme mm, mafé.

on va propulser en tout cas la culture casamançaise de merci. la culture ne peut pas être dissociée au sport parce qu'on parle de sport et culture sport comme cohésion facteur de cohésion sociale la culture en même temps aussi comme facteur de cohésion sociale. Euh, sport il mais activité une activité qui est bu gan

a Diola, à Kankana Serrer, Bougaïho, Bougoutsafo, Bougoudiogor, Bougibom. Donc ça, c'est un facteur réel euh, de cohésion sociale. C'est la, la cohésion sociale et il y aurait une priorité dans la Bromolatou. Euh, donc, dans la cohésion, cohésion sociale, à l'Esil, il faut que nous calamotal dans l'Esil ou à la l'Esil. Donc, il y a il faut que nous il faut nous disions à travers euh, la culture euh, qui nous renvoie vers nos origines. Parce que nous Alosan Han numéro culturel et pas matamil Et là, l'origine, c'est l'élément fondamental d'une personne, d'une couche sociale. Donc, pour nous, tout, il faut nous comme quoi la culture est le soubassement de tout développement. La culture est le facteur réel de cohésion sociale. C'est ce facteur qui nous permettra, nous tous, d'être ensemble, de communier et de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir comprendre ce que c'est nos origines et de travailler pour le bien-être d'une communauté, pour le bien-être surtout de Tchonkessin, pour ne pas être long. Je vous remercie vous tous. Euh, Dalo et eh, le parrainage là la première chose que j'ai faite c'est de leur dire il ne faut pas un parrainage unique il faut voir toutes les couches sociales de Tchokessi parce que moi c'est je suis dans, cette, euh, dynamique chaque fois qu'il y a un parrainage que ce soit une personne que ça soit pas une personne que ce soit toutes les couches de Tchokessi tous ceux qui peuvent apporter un plus que ce soit un parrainage multiple pour que les gens, au moins chacun se soient concernés parce qu'il s'agit de ça. Il faut que tout le monde s'y mette pour que notre Kessil puisse aller de l'avant, le développement, de développement de Donc, mis à part la politique, parce que moi, c'est ça mon credo, une Kessil, bâtir un Kessil unique, pas un Kessil diversifié, pas un Kessil divisé, mais un Kessil qui se lève comme un seul homme pour un développement durable et que pour que Tchonkesil puisse bénéficier pour les enfants, pour que les enfants de Tchonkesil puissent en bénéficier. Merci beaucoup. Euh, Youssouf, d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle langue je vais m'exprimer, mais je crois qu'on est dans un rendez-vous culturel. Euh, je vais faire euh, de mon mieux pour que tout le monde, quand même, puisse avoir accès à ce message que je vais tantôt lancer à toute cette communauté ici présente. Euh, je commencerai mon propos par remercier, féliciter aussi euh, Dalo en particulier et en général euh, l'association Yermandé qui a pris l'initiative avec ses sponsors d'organiser cet événement de haute qualité. Euh, je ne manquerai pas aussi euh, de saluer tous les parrains ici présents ou représentés. Et à l'occasion, je présente donc mes condoléances à M. Abdou Ben Sambou, qui, nous apprendons, a perdu sa grand-mère. Mes salutations aussi sont adressées euh, à ma délégation, euh, parmi laquelle, donc dans laquelle euh, mes cousins, mes frères et surtout un invité de taille, mon fils Mary Badi de Djegoun. Euh, je m'en vais surtout exprimer du fond du cœur toute ma gratitude et ma satisfaction. Satisfaction qu'a valu la réussite donc, de cet événement un événement culturel qui traduit notre identité. Cet événement qui est une marque de toutes nos activités, qui est une marque de toutes nos croyances, qui est aussi une marque euh, de toutes nos valeurs. Je crois que vraiment réussir un tel pari ne fait que grandir, ne fait que me conforter dans la communauté à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire la communauté Ediamat. Ça, c'est pour parler dans le cadre général. Et j'en profiterai aussi pour lancer le même appel que mes prédécesseurs en rapport avec le thème, euh, la thématique qui tourne donc autour de la cohésion sociale comme un levier euh, du développement, moi je dirais du développement humain, parce qu'au centre nous avons l'homme. Sans la cohésion, sans l'entente, sans l'union, je crois que rien n'est possible. Et ceci, c'est un message fort qu'il faudra noter et adopter pour dire que tout développement passerait d'abord par l'entente. Tout développement doit inéluctablement euh, passer par la cohésion, la cohésion à laquelle, n'est-ce pas, nous devons tous souscrire. Je suis très heureux aujourd'hui en tant que représentant de la commune de Tchonkessil, dont je suis le maire, très heureux parce que je me retrouve dans mon unité. Très heureux parce que je me retrouve dans cette communauté qui est la mienne, dans cette communauté qui est la nôtre. Parce que sans distinction, que nous soyons Djola, Mandeng, Sossé, Peul, Wolof, je pense qu'aujourd'hui, tous réunis ici, nous montrons un exemple de cohésion, l'exemple que nous voulons pour ce beau pays qui est le Sénégal, l'exemple que nous voulons pour cette belle région verte qui est la Casamance. En ces mots, vraiment, je tiens à remercier tout le monde et je souhaite à tous une excellente fête. Merci beaucoup. Ampom. Ampom Karesol Youssouf. <laughs> Euh, balay commencé nous jomde saf euh, Atiolal ben sambo Nicolas ñan kuyisolam tate Nicolas ñanu bokam olape emitekan mite kan e ñafanolal adiawum arjana. bol, ardiana e jaat kan fulay e, fan dallo di son équipe pour choisir pour la Casamance en fait. la Casamance en fait je jo bete matio suma sum fanfan di jawlo jaw di une délégation composée de Alioune Ndiaye au professeur à ta université di atiom pop professeur à ta université di Pape Diata, journaliste. Ensuite, on a Papis Daouda Badji, avocat de délégation. Eh. Doudou Diata, par ailleurs président Ati Honoré Titendou. Notre doyen Ousmane Goudjabi et notre financier Aringulo Mounier, certainement un chèque. landin bare délégation ngay pop euh, atiyom di alolom anemi mairie badji e kanjat ati conkesil a invité ol o alinom dayabe même kama le maire de conkesil a invité du invité kama invité olola Et ils savent qu'on a peka di les invités d'honneur di annonce a bot la première édition de casamance en fait. Les tilim les sponsors e, mata kokonde tognola di e la culture yololal non la casamance la Casamance est un pour du le village Yati bukot Djemberin. Il y a tendu, boni karangom. Commencez avec fierté à chaque fois. Déjouk, une entreprise comme la Casamance, réussir et accompagner toutes les initiatives allant dans le cadre du développement Yati, notre Casamance, et même au-delà. Par rapport au thème, le thème qui est choisi, un thème extrêmement important, j'ai décidé, après concertation, de donner la parole à mon frère Doudou Diata, man a développé quelques mots, man a partagé avec l'assistance euh, jone cohésion, levier de développement, des manifestations comme hier, quand quand si manifestation saware si djupo, di politique banomi, ulitendo kurone kangande nor, panungande nor, bare si fête nasano kore nanuse, sonu bajum man ou socialiser, man ou fraterniser, kama wafu wëmëg man wiajor di andiatiol, andi Elinol, andi Elinol, liinool ola le Casamance ola le Sénégal vu sur ce, plan je vais ma ma parole sur ce thème à Doudou Diata, qui va partager un peu sa vision parce que ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il est dans le secteur du développement local Doudou Merci d'avoir accepté de prendre la parole. Mangi ngi jël donc ci Tourou, docteur Sekouna Diatta maire de la commune de Magangoulak euh, ci kaw je di wax ne féliciter les organisateurs de cet événement en l'occurrence ma cousine Dalo Gouyabi de saluer Nyep ñi rawatina le maire de la commune de Thionkesil le maire de la commune de Mangoulak mi cité di le parrain mi nga xamante ben Sambu de Thionkesil Boko ak toujours le maire de la commune de Mangoulak Mangi ngi assistance bi di nuyoo suñu frères yi suma àndandoo mooy Papis Daouda Badji ki ma xam mooy moo accompagné sunu parents yi tëndu ki nekk fii Seyni Diatta ak ay frères am ñi fi nag sunu mag yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ah événement bi de nee nañu mbirum culture la ñuy wax takkale ko ak cohésion ak développement je pense que le monsieur le maire euh, il avait beaucoup mieux indiqué que moi pour aborder ce thème pour développer ce thème puisque j'en suis pas un spécialiste mais juste maïwa, maire wax mooy la nga xamante je suis un xaw qui ci la culture le développement. assistance bi fi ko que Dalo nous a donné aujourd'hui l'occasion pour nous mener, effectivement à euh, régner yi nga xamantene wa Casamance rawatina wa Boulouf am ko côté culture. donc puisque yalla patax na ba aujourd'hui on a nos autorités les plus hautes autorités du Boulouf en l'occurrence les deux maires sont là je pense que li ma wa faire un plaidoyer en faveur de, nos jeunes pour que sous nos mairies, que dorénavant dans cette politique, au niveau des différentes communes, nous saurons aller en fonds de promotion de la culture pour promouvoir effectivement nos jeunes qui sont sur place. Bobo donc, euh, Bobo appelle l'a lancé, li jëm ci côté nos autorités. nous fonk len lol di wax ne connaît fa nga nekk la nga mën du culture kese il y a énormément de métiers nga xamante ne ñun Casamance ñun Boulouf ak li ñuy may yàlla may la forêt la mer en tout cas lépp lu am mun nañ ko exploiter fexe ba effectivement culture bi ak tourisme bi ak euh, développement bi yëpp ñu lëkkaloo loolu def ko un levier de développement dans la zone du Blouf. lolo waral ma invité ñaa surtout nos hommes politiques